asalaamaaleykum euh, euh, yéen ñi nga xamantene bi bii euh, safo RTS 2 gis ngeen na ba vraiment ñu ngi dox di xol quartier yi di fa dem mbokk di fa joxe ay ay cadeau un cadeau pour un sourire yegg si na nag fi nga xamantene bi mbokk yi moom mooy Njolofène alors comme vous l'avez vu dañuy aussi constater des choses dans ces quartiers là et que qu'on aimerait vraiment que ñun ñëpp ñu àndandoo parce que ce serait quand même aider les populations gis ngeen mbalit bi nga xamante ne bi euh, les gens ils sont confrontés justement à insalubrité bi nga xam ñun euh, dañuy œuvrer pour le bien justement de de ces enfants là alors euh, moo à chaque fois lépp lu nga xamante ne bi tamit xam nañu daf leen di gaañ ñu xool naka la ñuy def pour saafara ko donc gis ngeen mbalit bi je veux dire les maisons ne sont pas très loin justement de de ces déchets là les déchets yi li ñu ci gën alors Fatou je pense que gis nga ko li remarqué ce sont les déchets plastiques et, et beaucoup d'autres choses yu nga xamante ne bi euh, mën na alors juste un petit mot par rapport à justement ce quartier de Ndiolofène à Saint-Louis mi nga xamante ne de ñu ngi euh, fi pour euh, joxe ko Moi, c'est vrai qu'on a traversé le quartier et puis c'est vrai qu'on a vu beaucoup de

alors c'est un plaisir en tout cas di faire Massata comme c'est une très grande équipe très soudée la RTS2 à chaque fois d'ignorer di alors euh, Solène leen déggee euh, Setan, directeur de la photo alors il ne faut pas penser que c'est le monsieur qui a juste euh, un appareil Il fait clic clic clic pas du tout alors le directeur de la photo Moki, c'est quelqu'un qui s'occupe des lumières et comme vous le savez lumière c'est extrêmement important tu une télévision sinon duñ ñu parce que je rappelle encore une fois que les caméras ont été créées par des blancs et nous, nous sommes des noirs. Il faut s'adapter. Et même les blancs ont besoin justement de ces lumières pour travailler. Alors, moi, il y a des extraordinaires euh, au niveau non seulement de la RTS2, mais je veux dire euh, des, des, antennes régionales avec les plus grands RTS de Koïligé. Parce que nous avons des gens qui femmes solo. Là, nous avons des gens qui ont tout direct. Nous avons fait nous nul. Nous content de voir de la disponibilité parce que Baye Ndiabot Baye Lep, ne ah Ndiabot Yep Ben Len, Nadem Ti Ndiabot Nyenen, Begel Len, ah Koku, vraiment, nous avons fait des merci Yakham. Je suis leen nuyu yéen toute l'équipe de la RTS. RTS c'est une famille. Hein. absolument c'est une famille donc. Euh, j'ai pas l'habitude d'être devant les caméras. Hein. Oui, c'est normal c'est normal. Uh-huh, uh-huh. mais bon. Uh-huh. bëggal xale dafa dafa nekk loo xam ni kenn waru si xaar dara. am sourire xale et tout ça. dafa nekk lu neex ci xol loo xam ni vraiment bu ñu la soxlaa da nga war a bàyyi lépp. absolument alors maa ngi doon wax sànq directeur de la photo. je pense que c'est important am na ñoo xamante ne ko. et le rappeler ce serait bien je parlais de lumière loolu mu nekk lu am importance la télévision aussi. ah oui c'est très important parce que télé, c'est la lumière. Sans la lumière, tu n'as pas la télé. Même caméra filmée, tout ça, il a été conçu à base de lumière. Absolument. Donc euh, tout ce que tu filmes, c'est la lumière. Donc c'est la lumière, le décor, les images et tout. Donc, euh, La télé, c'est la lumière. Absolument. Alors, comme de de donc là, euh, on n'utilise même pas qui torche la caméra. lumière naturelle aussi, c'est important. Ça, lumière, lumière, lumière, lumière, lumière, lumière, lumière, lumière, lumière, lumière, première bu gën a fort bi <laughs> donc euh, <laughs> macha allah en tout cas Massata du ma def rek lu dul ñu woo suñu xale bi mm-hmm. parce que nag am na xale boo xamante ne bi fii si Ndiolofène mbokk yi mm-hmm. dañu ko fas jox cadeau mm-hmm. euh, ma xool suñu bébé bi Aïcha ana nga ah Assane Assane noo def maa ngi ci jàmm Assane yaa ngi jàng école aha waaw Assane de RTS dafa leen jëloon benn cadeau moom ma indi ko mais su ma ko indee dina reetaan c'est très bien alors euh, je euh, vraiment Aïssatou euh, cadeau voilà Aïssatou je remercier alors Massata ma pas la remise voilà. cadeau uh-huh. hmm.

la yow itamit nga nga parce que nag euh, vraiment c'est une euh, équipe bu nga xamante ne bii ñu ngi def liggéey bu rafet. bu rafet waaw damay kontaan joxe cadeau bi fii parce que ah. fii daf may rappeler lu bëre. très bien.

Sénégal. Parce que Dakar Bango, quand même, euh, on, on sait que c'est ici qu'on forme les militaires. Et, je veux dire, euh, militaires aussi, nous sommes Karangé. Donc, nous sommes avec les hommes de tenue. En tout cas, il n'est que euh, que Fitindar et environ. Nous sommes les centre aussi. Mm. En tout cas, Massata, ça a été un plaisir avec et, les équipes euh, pour des, des remises de cadeaux. Alors, Hassan, nous le avec tous les autres enfants. Ah, nous avons gudd fan ak wér te nag nga promettre ñu nekk di nga jàng bu baax ba toog tabaxal maman ay ay ay immeuble après nga yóbbu maman màkk D'accord on est d'accord? tu me le promets alors la RTS2 demande un sourire aux enfants alors moi je demande un bisou et je pense que ça ne doit pas être très cher. Hein. est ce que euh, Ibadou dooy baat kon yow est-ce que mën nga ma def benn bisou fii si si si leex bi c'est possible d'ailleurs c'est parti eh. voilà <laughs> alors euh, ma leen di xamal nag nekk vraiment euh, temps yi moom je suis la plus heureuse parce que je reçois des bisous d'enfants magnifiques au niveau de de Saint-Louis en tout cas ñi ngi gërëm ñëpp encore une fois euh, ñi nga xamante ne bi dañ ci jàpp bu baax a baax monsieur Aly Ngouille Ndiaye ministre parce que nag fu ñuy dem defe naa ne dinañu xool suñu kaaraange di ci gërëm le gouverneur parce que le gouverneur moom itamit mi ngi ci jàpp bu baax a baax di remercier

voilà Benen Gor pour euh, Benen remise de cadeaux pour arracher encore un autre sourire j'y ajoute un autre bisou pour moi alors merci aux enfants we love you too much ñu ngi rendez-vous très bientôt sur la RTS 2 canal 5 TNT un cadeau pour un sourire au revoir à tous merci